le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Seigneur Yubakaka. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4, Enfani FM 100 MHz, Kwarategi FM 90.9 et Challenge FM 96.6 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et dans plus d'une vingtaine de départements grâce à notre réseau de 34 radios partenaires du studio Kalangu, notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Le thème du forum d'aujourd'hui est Adoption du statut de l'artiste, quel changement dans la carrière d'artiste et du secteur. Le Conseil des ministres du vendredi 9 février 2018 a adopté le projet de décret portant statut de l'artiste au Niger. Ce statut de l'artiste doit lui garantir les meilleures conditions d'exercice de sa profession. Il précise les modalités pratiques de la protection de l'artiste nigérien et fixe le régime juridique de la profession d'artiste. Le même Conseil des ministres a adopté un autre projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2010-816 du 23 décembre 2010 déterminant les modalités de perception de la rémunération équitable pour euh, copie privée. L'objectif de la modification de ces décrets est d'instituer formellement le principe de la redevance destinée au financement de la rémunération équitable pour copie privée. Avant l'adoption de ce statut, les artistes nigériens, on se rappelle, sous le régime de la Ve République, avaient engagé des actions de protestation pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail à travers leur célèbre célèbre chanson culture, actes 1 et 2. Avec l'adoption du statut, quel changement pour les artistes Quelles sont les conditions de vie actuelles des artistes Quelle est la place de l'artiste nigérien au plan africain et mondial que représente l'artiste pour un pays. Nous parlerons de toutes ces questions tout au long de ce forum. Dans ce forum, nous aborderons de façon spécifique le cas de l'artiste peintre au Niger. Un artiste peintre ou simplement peintre est une personne pratiquant la peinture comme discipline des beaux-arts ou des arts plastiques comme activité de loisir ou bien comme métier. Comment deviendront artistes peintres Y a-t-il une école où ce métier est enseigné A-t-il de l'avenir Dans ce studio, nous avons comme invité pour débattre du sujet Yakuba Adamou, plus connu sous le nom de Black Miller. Il est le trésorier de la Fédération nationale des associations artistiques et culturelles, FNAC. Monsieur Yakuba Adamou, bonsoir. Bonsoir. L'autre invité, c'est Monsieur Kailou Hassan, président de l'Association pour la promotion des artistes peintres et sculpteurs du Niger. Monsieur Kailouassan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté donc aussi l'invitation du studio Kalangou. Mesdames, Messieurs, bienvenue au forum du studio Kalangou. Monsieur Yacouba Damou, comment se présente la situation de l'artiste nigérien aujourd'hui euh, La situation de l'artiste nigérien, bon, sans en faire un, diagnostic exhaustif, elle est, j'ose dire, acceptable, hein, acceptable du point de vue de sa santé euh, au niveau de, la création, du point de vue euh, aujourd'hui de l'évolution du showbiz euh, qui entoure sa carrière et du point de vue aujourd'hui, j'ose espérer aussi, de la volonté politique affichée. Je crois bien que c'est la sommation de ces facteurs-là qui nous permettrait de dire que elle est acceptable, mais il y a des efforts aussi à fournir pour faire évoluer cette situation-là. Je l'ai dit en connaissance d'école parce que quand vous faites une petite comparaison, peut-être il y a 10 ou 15 ans ah. euh, euh, précédemment. aujourd'hui, la mentalité de l'artiste nigérien lui-même en tant qu'acteur a évolué. Il a compris qu'il doit se former, il a compris qu'il doit se professionnaliser et il a compris qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas professionnel, vous ne pouvez pas répondre, n'est-ce pas, donc au rendez-vous du donner et du, recevoir. Et, il a compris que si il ne se professionnalise pas, il ne peut pas se vendre. Donc, euh, en somme, il ne peut pas considérer ce qu'il fait comme une profession, comme un métier. Donc je crois bien que c'est ça qui, qui, peut nous permettre d'étayer, dire que la situation est acceptable. Donc l'artiste nigérien aujourd'hui, on peut dire qu'il vit bien de son, de son art. Bon, si peut-être c'est le bien là qui est un peu dérégé, mais il vit quand même de son art, mais vivre bien, je ne sais pas, mais <laughs> aujourd'hui, en tout cas, euh, on peut vous donner toute une gamme d'artistes aujourd'hui qui réellement vivent de leur art et ce qui me, me réconforte, euh, qui crée même des emplois autour de leur art. Vraiment, c'est fondamental. Et aujourd'hui, malheureusement qu'on n'a pas encore les statistiques par rapport à cette notion de l'économie de la culture. Je crois bien que euh, l'art nigérien aujourd'hui, si on se hasarde à faire des statistiques par rapport à leur apport, est même en train de contribuer à l'économie nationale du Niger. D'accord. je crois bien que euh, l'artiste, même s'il ne vit pas bien, quand même, il vit de son art. D'accord. Quel Hassan, vous êtes de, de, ce même avis Effectivement, je suis du même avis que le camarade collègue euh, Black Miller par rapport à la vie de l'artiste. Mais c'est vrai, s'il dit que euh, dit qu'ils vivent bien de leur art, ça c'est trop dire. Je pense que nous vivons de leur, notre art tant bien que mal, parce mhm. qu'effectivement, on peut parler un peu des praticiens aussi au Niger plasticiens euh, au Niger, généralement, ce euh, sont quelques-uns qui ont quand même eu à passer dans une école, une petite école de beaux-arts, un petit centre qui a été créé depuis les années 80, je sais pas, 82, au niveau du CCOG. Donc, euh, la plupart, en tout cas la majorité de nos artistes soit peintres, sculpteurs ou autres, n'ont pas eu cette chance d'aller dans ce centre. Et ce centre n'a fait qu'une seule promotion et qui n'a même pas achevé, en tout cas, la carrière. Donc, le promoteur qui avait créé même ce, oui. ce avait, il avait quitté une fois après avoir fini, parce que c'était un Américain qui avait l'initiative de créer ce centre de formation plastique au CCOG, au sein du CCOG. Mais après avoir fini sa, mission, il est parti et c'est fini, le centre est tombé à l'eau. Maintenant, bon, je peux dire que la majorité des peintres nigériens sont des autodidactes, parce que nous autres, nous sommes des amateurs. On était vraiment intéressés à, la peinture. C'est ça qui nous a quand même motivés à, à rejoindre la carrière de peinture. Donc actuellement, il n'y a pas d'école euh, de peintre. Bon, euh, il n'y a pas d'école, mais Dieu merci, je vois tout récemment, il y a un pavillon, donc un département des arts et communications qui a été quand ouvert au niveau sein de l'université de Niamey. C'est déjà une bonne chose. En tout cas, ça nous a beaucoup motivé euh, motivés. je pense qu'on remercie beaucoup en tout cas les initiateurs. Je pense qu'en tout cas, on n'a pas oublié quand même le, secteur des peintres. je pense que pour avoir une bonne carrière, il faut commencer par le bas. Il ne faut pas aller à l'université prendre, parce que quelqu'un qui n'a pas euh, passé par le primaire et qui va directement au niveau universitaire, je pense que c'est trop. je pense que c'est de, de, créer des conditions pour que les jeunes puissent intégrer euh, le secteur des arts plastiques, les jeunes qui sont là aujourd'hui. Parce que nous, actuellement, au niveau de la commune 5, euh, on a eu comme initié les, des activités de peinture pour des jeunes clubs euh, de quartier, et à Talaj à Karayé. Vraiment, euh, en tout cas, au courant de l'année 2017, nous avons eu pas mal des enfants. Vraiment, on crée une pépinière, n'est-ce pas, des jeunes pour prendre la relève, parce que nous autres, nous sommes en train de partir. Et tant qu'il n'y a pas de relève, je pense mm. que euh, vois c'est des problèmes. Donc, il faut recadrer les choses. Recadrer les choses comment Il faut avoir créé des petits centres, même, ne serait-ce qu'au niveau des arrondissements, bien à l'intérieur du pays, pouvoir vraiment, eh, n'est-ce pas, mettre à jour les jeunes qui sont intéressés à D'accord. Ah Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le métier de peintre Comment devient-on peintre Effectivement, on devient peintre, peintre parce qu'il y a certains, depuis le bas âge, parce que nous autres, dès le bas âge, au primaire déjà, on fait les dessins, tout ça là. Ah et c'est à partir de là que certains se lancent dans le domaine, parce que certains sont intéressés au dessin. C'est à partir de là que certains abandonnent même les études pour ces dessins-là, parce que j'ai vu même des étudiants qui ont abandonné, nest pas, la, leur carrière pour gagner le, le, le, domaine de la peinture. Et vraiment, nous, c'est à partir du primaire, bon, des, dessins qu'on fait, comme mm. euh, c'est un plaisir pour nous, c'était un plaisir pour nous. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous, avons embrassé cette carrière. Oui, donc euh, c'est comme ça, les gens, moi, à partir de là, ils prennent la carrière de peinture. L'art plastique, euh, on, trouve l'art plastique où exactement Bon, l'art plastique, c'est-à-dire actuellement, Actuellement, et à travers l'association, nous avons quand même euh, négocié auprès du musée national un local où on peut se retrouver pour créer, n'est-ce pas, au moins une, grande, salle d'exposition permanente. Ah et le musée, effectivement, a mis à notre disposition, nest pas, le cadre, le cadre décret, parce qu'ils nous ont mis une salle à notre disposition qu'on a déjà équipée. Mais nous ne sommes pas arrivés d'abord à mettre ça à jour officiellement. Mais c'est déjà équipé, euh, on a demandé aux uns et aux autres d'amener leurs œuvres, les artistes, pour qu'on puisse équiper et puis faire un lancement, n'est-ce pas, pour la, la visibilité. Exactement, quelles sont ces œuvres C'est des tableaux de peinture, les peintures, la sculpture. Est-ce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Blackmailer tout, à l'heure, est-ce que la, la, situation de l'artiste peintre elle est différente des autres artistes ici au Niger Bon, différentes comment Je pense que si on parle d'art, particularité, c'est qu'au niveau des arts plastiques, c'est un art qui c'est un qui n'est pas trop consommé tellement Consommé, je demande, est-ce que mhm. la situation, est-ce qu'elle est... Favorable. Voilà, Bon, à l'époque, à l'époque, vraiment, euh, parmi les peintres, il y a certains qui se retrouvaient très bien. Euh, avant les, les problèmes d'insécurité qui ont surgi euh, ces dernières années. C'est ça qui a un peu bloqué le, en tout cas, le système, surtout la mévente des produits artistiques, des arts plastiques, des plastiques. Vraiment, c'est ça qui a un peu bloqué le système. Sinon, auparavant, quand il y avait vraiment euh, la paix, la tranquillité au Niger, et la plupart de nos, de nos consommateurs, de, consommateurs de, de nos œuvres, ce sont les expatriés. Et les Nigériens rares sont les Nigériens qui vraiment utilisent nos œuvres. Donc, c'est ça le, la particularité. Bon, par contre, euh, les musiciens invités par-ci par-là pour des animations, mais nous, ce n'est pas le cas faut peut-être euh, lors des expositions pour que les puisse même découvrir Il y a certains qui ne voient même pas le tableau jusqu'à présent. S'ils voient un tableau, ils vont dire Ah, mais ça là, c'est une photo ou quoi Alors que c'est du dessin, vous voyez Mais ça coûte cher quand même. Vous savez, ça dépend. <laughs> <laughs> une œuvre une n'a pas de prix. Absolument. L'œuvre n'a pas de prix. Euh, il certains qui vont jusqu'à 300 000 francs une œuvre, qui vont jusqu'à 200 000. Ça dépend quoi, en fait, de la dimension et de la valeur du tableau. Oh, L'artiste peintre nigérien, il est connu à l'extérieur oui, euh, quelques-uns, quelques-uns sont reconnus à l'extérieur, quelques-uns quand même qui ont pu c'est à travers leurs propres relations extérieures qu'ils sont, ont pu avoir des accès aux, expositions et, biennales, internationales qui s'organisaient, des fois en France, en Belgique, tout ça D'accord. Black quelle est la place de l'artiste nigérien, d'abord au plan africain, puis au plan mondial aujourd'hui L'artiste nigérien, je crois bien que euh, c'est une place, hein, comme nous l'avons toujours dit, indépendamment de ce qu'il fait euh, comme promotion de, sa culture si on note le caractère showbiz parce que <laughs> nous on est vraiment <laughs> beaucoup plus dans cette dynamique. C'est ça qui a fait la particularité, si vous voulez, de la nouvelle génération euh, d'artistes. Vraiment, euh, ils ont axé aussi l'aspect showbiz. C'est ça qui fait que quelque part, comme le dit euh, les camarades de Kailou, qu'il se retrouve. Mais sinon, si on revient sous l'angle de la promotion de la culture nigérienne, sa place c'est une place d'ambassadeur. Parce que euh, aujourd'hui, le fait d'être dans un festival ou dans des résidences à l'extérieur, et, et, que y je encore, ou dans des réalisations, ou dans des tournages à l'extérieur, donc vous voyez expressément la plupart des artistes partent avec les drapeaux même du Niger et ils se battent pour se confirmer en, en tant ambassadeur, donc en tant que représentant donc, ils représentent les couleurs du Niger. Aujourd'hui, nous, tout ce que nous faisons euh, euh, dans les grandes rencontres internationales, euh, en tout cas, c'est pour parler de la voix du Niger, c'est pour défendre les couleurs du Niger. indépendamment de ça, c'est aussi pour pouvoir mobiliser les autres artistes de l'extérieur pour qu'ils viennent aussi au Niger parce que moi j'ai rencontré beaucoup d'artistes qui, s'ils ne sont jamais venus au Niger, c'est eux-mêmes qui plaident pour qu'ils viennent au Niger. Présentement, nous sommes sur un projet et en novembre passé aussi, nous avons fait venir quelques artistes autour du festival de reggae. Donc, euh, je crois bien que c'est en tant que représentant et en tant qu'ambassadeur, n'est-ce pas, donc, euh, j'ose m'expliquer comme ça la place de l'artiste niger, nigérien, permettez-moi, excusez-moi, j'allais dire, n'est-ce pas, donc, au niveau euh, sous-régional et au niveau international. Et Dieu merci. Aujourd'hui, quel que soit les domaines d'activité, en tout cas d'art que vous preniez, en tout cas, les Nigériens sont en train de se battre pour, pour se confirmer à, l'extérieur du pays, dans les forums et surtout dans les festivals internationaux. En tout cas, l'artiste euh, l'a dit, les peintres, les, les, conteurs. Je suis très content de voir que les conteurs aussi sont organisés. Les musiciens n'en parlent même pas. En tout cas, aujourd'hui, on a une vingtaine ou une trentaine d'artistes. Je peux vous citer quelques pays qui sont en Espagne, en France, n'en parlons pas. Belgique, on en a. aux États-Unis, n'en parlons même pas. Depuis 2005 ou 2006 aujourd'hui, on a une dizaine d'artistes nigériens qui sont basés aux États-Unis. Ah, et même en Chine, il y a notre grand frère euh, Simon Michael et Yus qui faisait partie des groupes euh, des danseurs euh, mm. Gabero. Donc, vous voyez, donc tous ces pays-là aujourd'hui, on a trois ou quatre artistes par pays qui sont installés et qui, des fois, certains aujourd'hui, ils ont été suffisamment intelligents par le génie artistique. Chaque deux ans, ils viennent au Niger, n'est-ce pas, donc faire des choses et puis ils retournent et ils amènent aussi d'autres artistes avec eux pour dire au Niger aussi, il y a, il y a des valeurs culturelles euh, à, promouvoir. ça participe donc, euh, je crois bien, à la promotion globale de notre culture. Alors, est-ce que les artistes nigériens qui sont à l'extérieur, ils contribuent à la promotion des artistes qui sont encore au pays euh, Si, si, si, si. Euh, les, je confirme que beaucoup le font. Euh, si je prends le cas de la France, euh, il y a euh, l'ancien président de la Nassim Rabé, et il y a un autre Nigérien qui, qui s'appelle Lawal. Lui, même hier, on était ensemble. Chaque année, lui, en tout cas, présentement, il est au Niger. Donc, je ne sais pas si vous avez constaté, chaque année, ils ont des festivals que eux-mêmes, ils ont créés en France. Et ils amènent une, euh, cinq ou six groupes au minimum par an pour l'activité culturelle n'est-ce pas Donc, euh, il y a aussi des journées ou des nuits culturelles nigériennes qui sont organisées, surtout entre la France et la Belgique. Si vous avez dû remarquer, des groupes tels que Maliaro, euh, Mamar Kassé, Soga, et beaucoup d'entre eux, en tout cas, passent par ces canaux-là. Et aujourd'hui, c'est les, les, mes propres promoteurs même mm. qui viennent. Donc, c'est pour répondre à la question au deuxième degré, le comment. Mm. Donc, c'est des activités euh, qu'ils ont créées au niveau, n'est-ce pas, donc, euh, de leur résidence. Et ils invitent les artistes nigériens, n'est-ce pas, à y participer avec l'accompagnement du ministère de la Culture. Parce que chaque fois, en tout cas, j'ai vu les promoteurs, quand ils viennent, ils prennent attache avec euh, le ministère de la Résistance culturelle, ils prennent attache avec les associations, particulièrement la fédération et les syndicats, et nous accompagnons, n'est-ce pas, donc, dans l'organisation et surtout parce que nous sommes dit, euh, au-delà euh, toujours des caractères fameux des showbiz, quand même, c'est, <laughs> ils, contribuent à leur façon à la promotion de la culture nigérienne euh, au niveau international. Et au niveau des États-Unis aussi, il y a des Nigériens qui sont là-bas. Présentement, je sais qu'il y a une dizaine de groupes qui ont fait des allers et retours aux États-Unis euh, par les biais des Nigériens qui sont basés aux États-Unis et qui vraiment qui sont en train de faire beaucoup de choses. J'en connais d'ailleurs certains qui appuient même en, logistique. Je sais que euh, en 2016 déjà il y a un Nigérien qui est basé là-bas, un ancien journaliste de la RM, là, euh, en l'occurrence Stapi, qui a amené un, cargaison d'instruments et qui l'a distribué gratuitement. moi personnellement, j'en ai bénéficié d'une <laughs> guitare, d'une vraiment d'une très grande comment s'appelle valeur. valeur. Donc il a amener des, des, batteries, des cordes et que sais-je encore. Et il y a un autre aussi qui envoie des, des pianos, des Donc vraiment, les Nigériens artistes nigériens basés à l'extérieur, je crois bien qu'ils sont en train de faire beaucoup de leur mieux en termes de matériel, en termes de, de, de, représentation. Ils n'ont pas oublié, comme on le dit, la maison. Comme on dit en hosa, Tabarka, ils ont mm. compris qu'ils ne doivent pas laisser la maison pour que la maison ne les, laisse pas. D'accord. Vraiment, suis pas pour eux. D'accord. Hassan, pour vous, quelle est la place de l'art plastique nigérien au plan africain et mondial Je peux dire que tout récemment en 2016 chez Bonne Mémoire. Il y, a même il y avait eu des, plasticiennes nigériennes qui ont déjà participé à une biennale qui a été organisée à Cotonou par une, une, une, artiste aussi plasticienne qui a invité, eu vraiment l'honneur d'inviter des artistes plasticiennes nigériennes. C'était deux ou trois qui avaient participé. Ça nous a fait vraiment euh, plaisir. Nous avons euh, au Canada un certain Ayoub qui est installé là-bas et un certain euh, en Belgique avait l'autre là. Alors, donc, euh, vraiment, ils sont installés là. Mais quand même, bon, c'est comme le domaine des arts c'est pas comme le domaine de la, de la musique où ils sont installés là-bas. Bon, heureusement, euh, pas, ils ne sont pas en train quand même d'accompagner parce que nous, depuis les sont là-bas, ils nous ont jamais approché par rapport à la promotion des arts plastiques. C'est dommage, mais quand même, bon, nous les encourageons, le fait qu'ils soient là-bas, parce que d'un jour à un autre, vraiment, ils vont penser quand même à, leur prochain. Maintenant, normalement, ils devraient faciliter les contacts, n'est-ce pas oui, Les contacts internationaux pour les, en faveur des praticiens nigériens. Et je remercie aussi un, peintre euh, ivoirien, presque à chaque biennale, invité des peintres nigériens pour aller exposer à, euh, chose, un certain Kassi, pour aller exposer au, à Abidjan. Euh, donc vraiment, je pense que c'est une bonne chose. Et en tout cas, j'ai fait, j'ai lancé un appel euh, ceux qui sont à l'extérieur de penser aussi à leur prochain. Et il y a aussi une dame, euh, Madame Myriam, qui a été mariée par une expatriée elle aussi, vraiment, de son, elle fait de son mieux. Parce que la dernière fois qu'elle a passé ici, on a même échangé avec elle. Elle lui devenue l'idée, quand même, quand arriver là-bas, de penser aux autres. Parce moins, que les, les, la facilité, n'est-ce pas, les contacts extérieurs, c'est très important. Ouais, c'est ça la, promotion des arts plastiques, des, arts. Sinon, s'ils ne font pas ça, vraiment, on eh, ne va nulle part. Le gouvernement nigérien, normalement, parce qu'il y avait un article qui dit, qui stipule comme quoi, 1% eh, des immeubles pas, devrait être consacré pour, n'est-ce pas, la décoration des bâtiments. Et depuis euh, le 87, je crois, il y avait eu un truc de, y avait un séminaire de la culture qui a été organisé au Tilabiri depuis 87. Vraiment, cet article est là. Nous, on a même suivi à un moment donné notre association pour que vraiment on puisse penser à tout ça là. Sinon, le problème n'allait pas se poser. Parce que si nos œuvres étaient utilisées pour décorer ah les grands immeubles qui sont là, les services, euh, n'est-ce pas, étatiques, autres, je pense qu'on n'allait pas quand même être frappé par, euh, par ce phénomène de vente de nos œuvres. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Et l'article, ah. il est là, vraiment, c'est dans les tiroirs. Nous, on a poursuivi à un moment donné. Ce qui euh, m'amène à vous poser la question concernant vos rapports justement avec le ministère de tutelle. Bon, nos relations, il n'y a pas de problème de relations je pense qu'on peut quand même faire appel au ministère de la pour que vraiment cet artiste soit mis en œuvre, pour que nous, autres nous puissions nous retrouver. Et ça va motiver les jeunes artistes aussi à créer. Parce que sinon, s'ils voient que nous qui sommes leurs aînés, nous n'arrivons pas à écouler les œuvres comme ça se doit, on n'arrive pas, se retrouve pas, ils, vont abandonner. Absolument. Ah, D'accord. Blackmailer. Je pense bien c'est en 2009, le mouvement Jogol Diagol Culture, 2008 2009 ou 2008, 2009. voilà. Vous avez soulevé beaucoup de difficultés à ce temps. Est-ce que aujourd'hui toutes ces difficultés sont derrière vous On ne dirait pas que toutes ces difficultés sont derrière nous. Euh, certaines sont derrière nous, certaines sont encore devant nous. Et on est en train de les, j'allais <laughs> dire, de, de, courir par, euh, par parce que j'ai déjà vu là où votre question allait venir. <laughs> c'est vrai parce que, euh, vous savez, le mouvement Diawol Culture était né dans un contexte particulier et parce que il est né du simple fait que, donc, vous avez tout de suite posé la question à quel, quels sont ses rapports avec euh, le, ministère, des tutelles. C'était vraiment euh, un problème euh, de rapport. Indépendamment de l'aspect pécunier de la chose, c'est que l'image même de l'artiste était, était, bafouée. dégradée. on voyait certains cadres refusaient de faire évoluer l'image de, l'artiste dans, dans, leur tête et ça posait un problème sérieux parce que les artistes auxquels ils avaient affaire, c'était des artistes de la Samaria, des artistes qui faisaient l'art pour l'art. Et il y avait une nouvelle génération d'abord artistes. qui étaient venus, intellectuels comme eux, et deuxièmement qui étaient inscrits dans une dynamique des showbiz qui partaient à l'extérieur dans des festivals internationaux, avaient des expertises. Donc ils ont compris que comment les choses se passent au Niger, c'était vraiment artisanal et archaïque. Quand on voulait apporter leur contribution et les autres n'ont pas voulu le comprendre. Voilà vraiment le fondement premier de la création, j'allais dire, ou de la naissance de, de ces mouvements-là. C'est vrai que depuis lors, euh, par rapport à, cette vision de l'artiste, je crois bien que euh, cette préoccupation, elle est vraiment derrière nous parce que euh, n'est-ce pas, donc à la création du syndicat, on a redynamisé la structure euh, fédérale qui est la fédération, parce qu'elle était délaissée à elle-même un moment. Nous, nous étions venus d'élection, on témoin, malheureusement, on faisait partie des éléments turbulents qui avaient exigé la réhabilitation de cette fédération. chez moi, j'étais installé à Bamako, donc euh, j'ai vu comment la fédération malienne, dont l'autre était le président, n'est-ce pas c'est toujours lui, le couple avec là. Donc c'est lui-même qui était le président, euh, n'est-ce pas, de la fédération. Donc on était revenu avec cette expertise-là qu'on a partagée avec les autres camarades. Et on a écrit euh, officiellement au ministère et effectivement, avec la petite pression, les ministères avaient accepté, on a réhabilité. Donc ça a contribué aujourd'hui, non seulement au ministère même d'avoir un répondant, parce qu'aujourd'hui la fédération étant euh, l'association fêtière, donc on a un répondant, les ministères a un répondant, donc ça lui a facilité la tâche et nous-mêmes ça nous a donné un cadre d'exercice. Vraiment, c'était une très bonne chose et pour nous et pour eux. Et deuxièmement, il y a certaines questions aussi qu'on avait posées tels que l'accompagnement ou la création même euh, ou la subvention allouée euh, à la culture en telle que même. Si vous avez dit la loi d'orientation, nous avons été euh, impliqués l'élaboration des documents de politique culturelle. Donc suite à la Culture, on avait été même l'élaboration des statuts de l'artiste, la copie privée. Donc on avait apporté notre contribution. Donc les avantages étaient pour la culture nigérienne, pas seulement pour les artistes, même si on a été, <laughs> ça n'a pas été facile entre nous. Donc vous voyez, donc vraiment c'est c'est ça. Mais aujourd'hui aussi, il y a toujours des difficultés parce que comparativement à beaucoup de pays que moi j'ai fait ou que je connais, jusqu'à présent, en dehors du discours politique, euh, la culture reste eh, demeure euh, les parents pauvres de, beaucoup de secteurs. Alors que euh, si c'était l'inverse, la culture aurait pu servir, n'est-ce pas, donc des maillons pour accompagner beaucoup de secteurs. Donc je crois que ce sont ces difficultés-là qui sont encore devant nous pour que les politiques comprennent que la culture, c'est un vecteur du développement, que euh, c'est possible de créer des conditions pour que la culture ait un, euh, un, apport ou même un impact sur l'économie nationale. Moi, j'ai vu dans des pays où rien que l'accompagnement des, des, des, partenaires, ils n'ont pas moins de 8 à 10 milliards par an qui n'a rien à voir avec la subvention de l'État. Ça, c'est un accompagnement des partenaires parce que les politiques accrues en la culture et au retour, la culture, n'est-ce pas, donc, euh, en train d'accompagner les actions de l'État. C'est dans cette dynamique, je crois bien que et les administrateurs culturels et les acteurs culturels que nous sommes et même l'État doit s'inscrire et vous allez voir, les choses vont évoluer d'elles-mêmes. Kailou, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le mouvement de a apporté un changement dans la des artistes nigériens Enfin, je peux dire que ça a apporté un changement par rapport, parce que je pense qu'il y avait eu une incompréhension des deux parties, côté ministériel et le côté artistique. Bon, je pense qu'avec Jago nous sommes arrivés, comme le camarade vient de le dire, arriver quand même à trouver un consensus où les gens arrivent même à collaborer, à travailler ensemble sur un certain nombre de choses importantes pour la culture. Parce que l'élaboration de tous ces documents dont le camarade vient de citer, mais c'est une bonne, c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à arriver à, ce <laughs> stade. Oui, ça fait trop, ça fait du bien, ça fait du mal, mais quand même, bon, maintenant, je pense qu'on va aller dans le bon sens où euh, va, chacun va se retrouver et qu'un beau jour, on va dire, mais écoutez, la culture nigérienne est devenue un pilier, un levier plutôt et sur l'économie nationale. D'accord. le 9 février, je le disais, 2018, le Conseil des ministres a adopté le, statut de l'artiste. Avec l'adoption de, de ce statut, quel changement espérer pour les artistes Qu'est-ce qu'il contient d'abord ce qu'il contient d'abord, euh, vous voyez, c'est après les, les, motifs, il y a les, champs d'action, il y a les régimes juridiques octroyés aux artistes, etc., etc., et, aussi euh, euh, les différentes terminologies. qu'est-ce qu'on entend par artiste, artiste professionnel, artiste indépendant, artiste interprète, et il, il contient aussi des droits et des obligations donc on dit, on entend par artiste les droits et les obligations qui sont rattachés à la qualité de l'artiste. Je crois bien que tout est dit là-bas. Et il donne maintenant aussi des limites vers la fin, n'est-ce pas donc, euh, à, à, à, la profession de l'artiste. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est dire qu'il y a des choses, euh, même si vous avez des droits, des obligations, mais il y a des limites, euh, n'est-ce pas donc, à ne pas franchir, telles que la promotion des œuvres pornographiques, des œuvres qui incitent à la, je ne sais pas, à la perturbation sociale, etc., etc. Donc voilà, si vous voulez de façon ramasser, c'est que le statut de l'artiste contient. Ça, c'est le décret. Maintenant, au-delà de ça, euh, on parle d'avantages ou des avantages. Et ça, il faut des textes additionnels, à mon sens, pour, euh, pour clarifier, pour les, clarifier les avantages. Dire que, bon, ça, c'est des trucs qui sont euh, liés à une volonté politique. C'est un exemple que je donne. On peut dire à partir de 20 ans ou 15 ans d'exercice d'artiste peintre, d'artiste musicien ou cinéaste, l'État vous octroie une telle allocation ou quelque chose comme ça. Ça dépendra de la grille d'avantages que l'État va développer, tel que les prises en charge sanitaire, peut-être euh, développer les choses au niveau de, de, la caisse euh, sociale. Et euh, aussi, ce qui est important, c'est qu'on dit vous devenez un travailleur culturel. Ça, c'est la recommandation de l'UNESCO de 1980. C'est-à-dire que nous, les Niger étaient carrément en retard par rapport à cette notion de statut de l'artiste. Nous-mêmes, nous avons commencé depuis 2008. Vous avez vu donc il a fallu cette année pour que l'État Bon, c'est une très bonne chose. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Donc, c'est dire que euh, d'abord, ça vous donne euh, une protection, ça vous donne un statut juridique et ça clarifie votre profession vis-à-vis -vis de vous-même et de vos usagers. Donc, vous devenez un travailleur culturel et on dit que vous êtes soumis sous la réglementation, n'est-ce pas, donc du travail. Ça veut dire que si aujourd'hui je dois travailler, faire des prestations, euh, ça veut dire que je suis protégé par les textes réglementaires du Niger. Si je dois jouer dans les bars d'un délai à un délai, voilà donc euh, est tenu de respecter la réglementation en vigueur. Donc vous voyez, tout ça, ça participe, n'est-ce pas, donc à la grille des avantages parce que ça protège déjà l'artiste et sa profession. Je crois bien que c'est là où c'est vraiment euh, très important important cette notion eh, de statut de l'artiste eh, qui est adoptée, mais il reste euh, aussi, comme je l'ai dit, pour revenir à votre précédente question, qu'il y a aussi la lutte à poursuivre parce qu'il faut un décret d'application et dans le meilleur délai parce qu'il <laughs> y, y, a des artistes qui sont dans la précarité, surtout c'est un peu pitoyable quand vous prenez l'ancienne génération qui est sortie de la Samaria, qui aujourd'hui beaucoup sont fatigués, sont laissés à eux-mêmes dans leur propre famille avec des charges familiales, avec des, santé perturbées. Donc je crois bien qu'il y a une urgence après l'adoption, le décret d'application, vraiment de les prendre très rapidement. Dans une de nos interviews avec euh, un de vos collègues, après l'adoption de ce, de ce statut, il disait qu'avec l'adoption de ce statut, on va créer une carte d'artiste. Oui, oui, oui, tout ça ça participe. C'est ça que j'ai dit. Il faut des textes euh, additionnels euh, pour, euh, pour clarifier les choses parce que c'est dire qu'il y aura un collège d'artistes, comme on le dit, pour déterminer qui est artiste. Déjà, c'est dit dans les statuts qui est artiste professionnel. Et qui est artiste professionnel qu'est-ce qu'ils disent Les artistes professionnels, euh, personne qui, en vertu euh, d'un lieu de subordination, effectue ses prestations artistiques. Donc, vous avez aussi, on dit artiste professionnel indépendant. C'est une personne qui, en dehors de tout lien de subordination détermine elle-même les conditions euh, dans lesquelles elle effectue ces prestations artistiques et qui en assument les risques économiques et sociaux. Donc, vous voyez, donc, ici, c'est clair, mais aussi c'est ambigu, parce que mm. <laughs> il faut que, parce que le, droit a, son langage, mais il faut que les artistes eux-mêmes comprennent ce qu'on entend par là, mais aussi, aussi, mm. que les usagers, ceux qui vont travailler, travailler avec les artistes aussi le comprennent. Ça veut dire qu'il y a un travail d'abord de vulgarisation, de sensibilisation des artistes et, de, et, de ses usagers à faire. Et aussi, pour revenir par rapport à cette notion de carte, c'est dire que cette carte ne sera pas délivrée à n'importe quel artiste. Vous voyez, donc ça va limiter, n'est-ce pas, donc euh, cette pagaille, même au niveau de, de, la famille des artistes. Et je crois bien quelque part aussi, c'est un instrument de stimulation à la créativité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un artiste peintre, vous serez obligé de vous professionnaliser pour être un artiste peintre professionnel, pour avoir accès à la, carte. Si vous êtes musicien, n'est-ce pas, donc c'est pas venir faire un titre ou deux titres à la télé et puis commencer à embrouiller les oreilles des gens pour dire que vous êtes un musicien. Donc, vous voyez, donc vous serez obligé de travailler parce que si vous ne remplissez pas les conditions telles que définies dans les décrets et peut-être les autres textes, donc vous n'aurez pas cette carte. Ça veut dire que même les avantages, si avantages il y a, seront, n'est-ce pas, donc liés à la délivrance de cette carte-là. Et je crois que c'est fondamental. Peut-être euh, le ministère va concevoir ou un collège d'artistes ou avec quelques gardes qui vont définir, n'est-ce pas, donc, euh, euh, les quelques conditionnalités à remplir pour bénéficier de cette carte-là. Moi, vraiment, de ce point de vue, surtout, je suis parfaitement d'accord parce que nous avons vraiment beaucoup plaidé pour la professionnalisation de l'art au Niger. D'accord. Malheureusement, euh, l'amateurisme encore nous accompagne et on veut vraiment s'en débarrasser. D'accord. Monsieur Kailou, est-ce que vous pensez que ce statut, s'il est appliqué, bien évidemment, il va changer la carrière et la vie de l'artiste nigérien Oui, bon, je pense qu'on ne peut rien faire sans rien. Ah oui. Et vraiment, et nous sommes satisfaits, nous sommes très contents en tout cas de voir ce jour où euh, les le statut d'artiste pendant des années, après une lutte, euh, un combat vraiment <laughs> sans cesse, sommes arrivés vraiment à la signature de ce statut d'artiste. Je pense qu'on ne va pas quand même élaborer ces textes pour rien parce qu'il faut que ces textes soient vraiment applicables et appliqués sur et, que ça soit, et que ça soit bénéfique euh, aux professionnels de, artistiques. C'est vrai, la professionnalisation, effectivement, au niveau, des arts plastiques. Vraiment, il faut que y a vraiment euh, un renforcement des capacités, surtout et multiplier les formations, parce que vous savez, les directs que nous sommes, effectivement, il y a certains, à force de faire, vraiment, ils sont devenus des professionnels mais quand même, euh, ils ont besoin d'un accompagnement, surtout sur le plan formation. vraiment, si on arrive à avoir des formations pour ce professionnels, c'est une bonne chose. Ce serait une bonne chose pour nous. Et je pense que ça serait bénéfique, en tout cas, pour nous tous. Oui. Alors, est-ce que vous pensez qu'il répond aux attentes des artistes Bon, pour un premier temps, on pense que, en tout cas, selon les textes, on pense que ça répond pas, aux attentes des artistes. Ce que nous imaginons, nous pensons bien que ça. Maintenant, c'est la mise en exécution. Comme le vient de le dire, il faut rapidement commettre ça en exécution pour qu'on puisse voir les utilités et l'importance n'est-ce pas, en tout cas de cet dartiste là Maintenant, c'est la mise en exécution qui reste. Est-ce qu'il y a des inconvénients Oui, comme ça, on ne peut pas le savoir pour le moment, il faut que ça soit mis en application au niveau des plasticiens, comme euh, l'avantage c'est que effectivement il y a des anciens, la première en tout cas génération des plasticiens. On a vu la situation qu'ils sont en train de vivre. Certains sont malades, mais jusqu'à présent, même les prises en charge sanitaires, on ne dispose pas. On pense que, eh, en tout cas, le statut de peut résoudre tout ce de problèmes. C'est ah ce que nous pensions quand même. D'accord. Black ce statut, une fois appliqué, il répond à toutes vos attentes. Bon, vous savez, l'être humain, il est naturellement <laughs> insatisfait. Hein. <laughs> Moi, ma satisfaction première, c'est que par rapport à ça, et je peux me permettre de dire que oui, il répond euh, à, nos attentes, mais peut-être pas toutes nos attentes. Le simple fait d'avoir euh, une reconnaissance juridique dans une société moi, je crois bien que c'est déjà bon. J'ai toujours raconté une, anecdote quand j'ai parté faire des fois mes, actes d'état civil, pièce d'identité ou un passeport. Quand on me demande quelle est votre profession, j'ai dit artiste. Et les gens ont trouvé un moment les kilos de me demander, mais à part euh, la musique, là, vous ne <laughs> donc c'est Oui, oui, donc je n'ai jamais, parce que c'est vrai, moi je suis un artiste, c'est vrai que je suis un fonctionnaire de l'État, moi je n'ai jamais voulu euh, mettre en avant que je suis un fonctionnaire de l'État, je ne le dis pas à n'importe qui. Vous voyez, non, mais j'ai toujours dit que je suis un artiste parce que je veux que mes papiers portent euh, ma profession d'artiste. Mais ça n'a pas été facile. Mais je crois bien que les, statuts viennent résoudre ces problèmes-là si demain, même quand je vais peut-être dans une famille pour prendre un mariage, euh, une fille, quand je dis que je suis un artiste, on ne va pas dire que, il faut on a qu'est-ce qu'il fait à part ça Donc, vous voyez, ça résout, donc ça devient une profession. Moi, je crois bien que là, ça résout déjà un grand pourcentage de, la question. Maintenant, les autres euh, avantages qui sont liés aux besoins vitaux de la vie, bon, là, <laughs> je ne peux pas dire tout, mais je crois bien que si on levait, si l'État levait, il, il, pourra répondre, n'est-ce pas, donc, à, nos attentes. Et l'autre aspect aussi, c'est que ça va euh, réduire les risques de l'exploitation, euh, n'est-ce pas, donc des artistes. Parce que euh, si le secteur est, bien euh, régulé, c'est que les artistes imbuent, n'est-ce pas, donc, des conditions d'exercice de leur profession. En tout cas, c'est quand tu veux maintenant, tu vas maintenant te laisser exploiter. en France, aujourd'hui, vous voyez le cas de la France que je connais très bien. C'est tellement sécurisé que pour la question les statuts de, l'artiste. Les artistes sont tellement protégés que c'est difficile d'exploiter un artiste. C'est vrai qu'il y a des promoteurs comme des escrocs, mais c'est difficile. Et d'autre part, ça vous permet aussi d'être bien payé, de vivre de votre art et ça évolue jusqu'à des spectacles congés payés. Donc voilà, c'est ça l'important. Donc euh, il y a des périodes dans lesquelles vous jouez ou vous ne jouez pas, vous êtes en prestation, en représentation ou non, n'est-ce pas Donc vous avez des spectacles congés payés. Donc vous voyez, donc quand on parle congés payés, ça veut dire que c'est la réglementation du travail, n'est-ce pas, donc euh, de l'OIT. Ça veut dire que vous êtes bien protégé, vous êtes un fonctionnaire comme mm, n'importe quel fonctionnaire, vous êtes un professionnel. Donc, vous voyez, je crois bien que euh, c'est ça l'avantage. C'est-à-dire qu'indépendamment de ce que l'État prend en charge par rapport à sa volonté politique, c'est que l'exercice de votre profession déjà euh, vous garantit beaucoup de choses et améliore, n'est-ce pas, donc la qualité, j'allais dire, de, de votre profession. Et au retour, n'est-ce pas, donc ça vous permet permettrait de gagner mieux, je crois bien, que votre vie. Le même Conseil des ministres qui a adopté le statut avait adopté un autre décret. voilà, sur la copie, la perception des rémunérations équitables pour la copie privée. Et également un autre décret aussi sur la Bibliothèque nationale. Bon, vous savez que ce soit le statut de l'artiste, que ce soit la copie privée, surtout la Bibliothèque nationale aussi, ce sont des axes, j'allais dire, de, de comment s'appelle le document de la politique culturelle. Ce C'est que n'eût que la mise en œuvre a pris un, retard considérable. Aujourd'hui, toutes ces questions auraient dû évoquer, je crois, même depuis 2010-2011. Hein, il faut comprendre <laughs> qu'on est ça a pris du retard. Mais sinon, la copie privée, euh, c'était, si vous voulez, une stratégie qui a été pensée euh, pour compenser les pertes de la culture euh, n'est-ce pas, donc à la piraterie. Oui. Donc ça a été pensé et qu'il fallait trouver, n'est-ce pas, donc euh, un mécanisme pour, n'est-ce pas, donc compenser les créateurs. Donc c'est ce qu'on appelle la copie privée. Donc euh, ce n'est pas un impôt, mais c'est une autre forme de taxe imposée sur euh, les biens qui servent à, à faire de la piraterie. Si vous prenez les cartes mémoire, les clés ISB, les photocopieuses, les radios, les télés et que sais-je encore, tout ce qui sert, quel que soit l'outil, donc c'est à partir des frontières, n'est-ce qu'ils soient imposés et c'est cet arrière-là qui est reversé au bureau nigérien des droits de d'auteur. Ça veut dire que euh, l'institution qui fait la protection des œuvres travaille avec les des comme un accord avec la douane. Il y a le Burkina qui est en avance sur euh, beaucoup de pays euh, en Afrique. en septembre passé, moi j'étais en Algérie et l'ont adopté depuis 2001. Et aujourd'hui, ça a permis, n'est-ce pas, donc en termes de recettes, en matière de droits d'auteur, vraiment les artistes gagnent, n'est-ce pas, donc euh, de façon considérable des recettes. Donc c'est ça l'utilité. Et la, la Bibliothèque nationale aussi, c'est un outil de fierté Aujourd'hui, si vous prenez en Europe, euh, rien que du point de vue de l'éducation, si on a une bibliothèque nationale, c'est une référence n'est-ce par rapport à la recherche du savoir. C'est une référence par rapport, j'allais dire, aux éditions, euh, surtout pour les écrivains. Et c'est une référence aussi, j'allais dire, culturelle. Ça doit être partie des priorités culturelles du Niger. Donc, une bibliothèque nationale, c'est vraiment un symbole culturel dans un, dans un État. vous voyez donc ce qui fait que euh, les artistes peintres parce qu'il n'y a pas eu cette euh, culture, n'est-ce pas, donc de consommation de la peinture, et aussi il n'y a pas eu euh, cette culture de la lecture fait qu'aujourd'hui, pendant la grille des artistes, en tout cas nationaux, ce sont eux qui sont les plus délaissés. Les artistes peintres, les écrivains et un peu aussi les cinéastes parce que le cinéma nigérien a connu son boom, mais depuis qu'il a euh, connu un peu son déclin, en tout cas aujourd'hui au niveau du bureau nigérien des droits d'auteur, ce sont les artistes qui, euh, même du point de vue de la répartition, sont, dont les recettes ne sont pas très considérables. Et c'est vraiment c'est un truc, je crois même, qui est très culturel qu'il faut qu'il faut corriger. c'est tout le parler des décorations des édifices. Vraiment, ça, a été une préoccupation. Moi, personnellement, il est, là. Je l'ai encouragé dans le sens euh, pour euh, sensibiliser les artistes. En tout cas, ça ne fait pas un an. Si vous avez euh, suivi l'évolution au niveau des artistes, je pense au Burkina Faso, c'est l'État qui a pris son courage et qu'il a, euh, il a dégagé, ça doit être 120 ou 150 millions, n'est-ce pas, donc réservés à l'achat de, de n'est-ce pas, donc des, des, des, des arts plastiques pour décorer les édifices publics. Et on a encouragé les plasticiens à aller, il a même fait une boutade de ne plus dormir, aller créer, et l'État est là <laughs> pour, vous <laughs> voyez. Donc moi, je crois que c'est cette politique-là qu'il faut asseoir pour accompagner. S'il y a un canal par lesquels on, achète les arts, plastiques, euh, ça empêcherait, n'est-ce pas, donc à nos amis plasticiens de dormir. Et je suis certain parce que plus tu crées, plus tu sais que déjà il y a un marché, plus la créativité, n'est-ce pas, donc va être éveillée. Mais tant tu crées un ou deux, trois tableaux et que d'abord, il a dit l'aspect sécurité, il n'y a plus de tourisme comme avant. Ils sont là, peut-être dans les coffres de la femme, de madame, Finalement, elle va même commencer à dire que tu es en train de lui remplir ses <laughs> armoires. Ça tue en fait la créativité. Voilà, moi je crois même que ce n'est pas tard, mais il y a un sursaut national à faire et surtout qu'il faut encourager la consommation des, produits culturels locaux. Et Loisan, après l'adoption de ce statut, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui La copie privée, effectivement, fait partie des préoccupations. Par contre, nous, euh, au niveau des plasticiens, on avait comme euh, une requête au niveau du Benda Et depuis 2013, euh, je crois, on a quand demandé au Benda de poursuivre le tout de, des, droits, des droits de suite. Les droits de suite, vraiment, actuellement, le dossier est là-bas et on a mieux. Tout récemment, la nouvelle directrice Dès qu'elle m'a vu, elle a pensé, parce qu'elle était là, à l'époque, et c'était avec elle qu'on a élaboré le document. et elle m'a quand même promis comme va relancer. Et bon, très rapidement, elle n'a qu'à tout faire pour que nous soyons aussi de nos droits, parce que eh, si les placés n'arrivent pas à percevoir leurs droits, n'est-ce pas C'est vrai, ils arrivent à avoir, mais des miettes, mais quand même, je pense qu'avec les, droits de site, avec, si vraiment les textes ont été adoptés, je pense que nous allons nous retrouver comme les autres eh, collègues et eh, musiciens et autres nous nous demandons aussi au BND, comment poursuivre notre dossier et nous vraiment tout faire pour mettre ça à jour. Merci, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. En résumé, il faut comprendre que le statut de l'artiste adopté va donc répondre aux attentes des artistes, mieux reconnaître le statut juridique de l'artiste et faire de l'artiste de l'art donc une profession à part entière. Il va aussi réduire les risques de l'exploitation de l'artiste nigérien. Dans ce studio, nous avons eu comme invité Yakuba Damoudi Blackmailer, le, trésorier de la Fédération nationale des associations artistiques et culturelles FNAC, et M. Kelou Hassan, président de l'association pour la promotion des artistes peintres et sculpteurs du Niger, à PAPSA. Je vous donne donc rendez-vous pour un autre forum du studio Kalangou demain à partir de 18h15. Merci et au revoir.